Les auditeurs du studio Kalangu, bonjour et bienvenue dans votre émission Les Niger sur Kalangu. À la présentation, je suis Habiba Ahmed, à mes côtés Semira Rouafi. Bonjour Semira, comment tu vas Je vais bien Habiba, et toi ça va Je vais bien aussi. Pour le programme du jour Samira, nous commençons par les flèches d'information qui nous sera présentée par Rafika Attaher. Pour cours des régions, nous irons à l'IFA et il y aura la chronique Loti, la rubrique culture linguistique et une page sport. Dans cette même émission, chers auditeurs, vous suivrez les conseils des nutritionnistes pour votre bien-être et des conseils religieux pour mieux pratiquer votre religion en ce mois de Ramadan et ça sera avec des spécialistes. Notre invité du jour est Kossi Badoum, connu sous le nom de leader Raoul. Il est coach en développement personnel et leadership. Il nous dira tout dans un instant. Chers auditeurs, restez branchés sur les ondes de nos radios partenaires. Top, c'est parti pour une heure d'information. Chers auditeurs, tout de suite les flèches d'information avec Rafika Taher. Bonjour Rafika. Bonjour Habiba. Alors, pour ce matin, le ministre de la Santé publique, médecin colonel-major Garba Hakimi, en visite terrain de la région de Difa, a réceptionné le dimanche 24 mars un don de médicaments et divers matériels sanitaires offerts par l'Organisation mondiale de la santé OMS. Cette donation de 5,4 tonnes est composée de kits pour la prise en charge de la pneumonie, du choléra et d'autres pathologies courantes ainsi que des consommables médicaux. Ce don est indique le ministre de la Santé, vient à un moment crucial où le système de santé de la région de Difa est soumis à de nombreuses pressions et que ces médicaments et matériels destinés aux structures de santé de la région de Difa seront utilisés à bon escient. L'athlète nigérien Nouridine Isaka, nouveau champion d'Afrique de taekwondo de la catégorie des moins 58 kg, est qualifié pour les Jeux olympiques en taekwondo Paris 2024. Il a décroché une médaille d'or aux derniers Jeux africains tenus la semaine dernière à Accra. Nous le souhaitons une bonne chance. Et enfin, dans ce flash, Amadou Ba, candidat de la coalition au pouvoir, a humblement reconnu sa défaite à l'élection présidentielle sénégalaise et a adressé ses sincères félicitations à son adversaire vainqueur Bassirou Diomaye Faye, candidat de la rupture. Selon les tendances des résultats de l'élection tenue le dimanche 25 mars, après une campagne électorale tendue et un processus de vote qui a mobilisé plus de 7 millions d'électeurs, Bassirou Diomaye Faye, représentant de la coalition coalition Maï président sera le cinquième président de la République du Sénégal, succédant ainsi à Macky Sall. Et voilà pour le flash de ce matin. Merci, Rafika, pour toutes ces informations. Bonne journée. Chers auditeurs, comme je l'ai annoncé au début de l'émission, l'invité du jour est leader Raoul. Il est coach en développement personnel. Bonjour Raoul. Bonjour Abiba, bonjour chers auditeurs de Studio Kalango. C'est un plaisir d'être avec vous ce matin. Merci d'être là avec nous aussi ce matin. Vous êtes coach en développement personnel. Dites-nous très simplement, qu'est-ce que le développement personnel Alors merci beaucoup pour l'invitation. Le développement personnel de façon très simple, c'est l'ensemble des outils, des techniques, des méthodes et des pratiques utilisées pour se découvrir, pour se connaître, pour travailler sur soi-même afin de devenir la meilleure version de soi-même, pour être en harmonie avec soi, avec les autres, pour améliorer la qualité de sa vie, atteindre son objectif et réaliser ses rêves. Donc de façon très simple, voilà un peu une définition qu'on peut donner du développement personnel. Alors, coach Raoul, est-ce qu'on peut savoir euh, comment est-ce que vous êtes devenu euh, coach en développement personnel et quelle est son utilité pour une personne, par exemple Ok. je euh, fais tout en commencé en 2012. J'étais à une étape de ma vie avec beaucoup de difficultés. Et là, vous savez, la plupart du temps, lorsqu'on est coincé, on cherche une porte de sortie, on cherche une ici. Mhm. Et depuis 2012, donc, comme je le disais, en 2012, j'ai commencé par faire beaucoup de recherches par rapport à comment est-ce qu'on peut améliorer la qualité de sa vie d'abord me concernant. Et là, j'ai découvert le développement personnel. là, j'ai commencé par lire beaucoup de livres, j'ai suivi beaucoup de formations, j'ai eu la chance d'être coaché, accompagné par des mentors. Mhm. Et chemin faisant, j'ai vu l'amélioration par rapport à ma vie personnelle. Comme j'ai eu des résultats, mhm. j'ai commencé par faire beaucoup de publications et les amis ont commencé par s'intéresser. Les amis ont commencé par se rire vers moi par rapport à l'exécution, à leurs questions. Et j'ai commencé par les aider et Dieu merci, ça se passe plutôt très bien. L'utilité du développement personnel, c'est que quoi Chaque être humain qui vient dans ce monde qui naît, c'est comme une graine qu'on plante. Et vous savez que lorsqu'une une graine sort du sol, mhm. germe, naturellement, cette graine, cette plante va grandir. Mhm. Mais le vrai problème, c'est que beaucoup de gens, lorsqu'ils naissent, ne grandissent pas, ne mûrissent pas. On prend de l'âge, mais il y a beaucoup de choses, de domaines dans notre vie sur lesquels on ne, on ne mûrisse pas. Donc le développement personnel donc, permet à un être humain donc, de grandir comme un arbre grandit naturellement. Et lorsqu'un arbre grandit, ça produit du fruit. Et c'est le fruit qui est beaucoup plus utile pour les autres, donc pour les humains. Et chaque être humain doit également mûrir pour produire du fruit à travers ses résultats, ses accomplissements, ses réalisations, pour que le monde entier et les gens qui sont autour de lui puissent en bénéficier. Donc voilà un peu l'utilité. Et l'autre utilité, c'est quoi Comment devenir donc la meilleure version de soi-même on va en venir. Ok, merci beaucoup. <laughs> D'accord. Là, expliquez votre processus de travail avec un client de la première consultation à la réalisation des objectifs. Ok, merci beaucoup. Euh, lorsque, par exemple, euh, je peux vous tutoyer mm, oui, bien sûr. Alors, lorsque par exemple, euh, Habib, tu, ah, Habib, pardon, tu, tu, viens chez moi, mm d'abord prendre le temps de t'écouter. Mhm. la première des choses, d'abord, c'est écouter la personne. Mhm. Son problème, ses, défis, si on peut le dire, ses difficultés qu'il rencontre, bien qu'elle raconte. Lorsqu'on prend le temps d'écouter la personne, on, donc on essaie de faire un diagnostic par rapport à ce que la personne vit. Mhm. Est-ce que vous voyez un peu Oui. Et de là, on peut maintenant faire un programme de façon progressive d'accompagnement étape par étape pour amener la personne à pouvoir atteindre son objectif. Parce que lorsque quelqu'un vient vers moi par rapport à une difficulté, par exemple, le but, c'est que la personne puisse avoir donc un objectif. Mhm. L'amélioration de la qualité de sa vie, l'amélioration dans un domaine précis de sa vie, mhm. sur le plan personnel, soit professionnel. Elle se voit un peu. Donc c'est un processus, un chemin étape par étape qu'on essaie de suivre pour amener la personne d'un point A où elle n'est pas très à l'aise, mhm. elle a des difficultés, vers un point B où il y a beaucoup plus d'amélioration, beaucoup plus d'évolution par rapport à sa vie et sa carrière. Mhm, Alors, partagez avec nous une réussite récente d'un de vos clients euh, que vous avez euh, accompagné dans, en développement personnel. Alors c'était, euh, c'est un peu, euh, c'est un peu touchant. C'est une jeune dame qui a été violée sexuellement. Mm-hmm. Et malheureusement, cet acte de viol a conduit donc à une grossesse. Mm-hmm. Actuellement, elle est à Niamey, sans vous mentir. Il y a, cette confidentialité. Mm-hmm. Et euh, elle a accouché un garçon qui a actuellement trois ans dépassé. Vous voyez un peu. Et Dieu merci, ce que nous faisons la plupart du temps, ce n'est pas forcément notre force. Il y a également l'assistance de Dieu, ainsi de suite bien sûr, il y a des méthodes qu'on utilise. Et aujourd'hui, sans mentir, elle se porte plutôt mieux. Parce qu'à un moment donné, elle a perdu le goût de la vie complètement. Euh, elle est complètement renfermée sur elle-même. Elle avait une mauvaise image d'elle-même. Elle avait donc euh, une mauvaise estime d'elle-même. Elle n'avait plus, elle ne, voyait pas en elle une personne de, qualité, de valeur. Mhm, mhm. Je me souviens, elle m'avait dit Est-ce que je vois en elle quelque chose de bon mhm. Lors de nos entretiens donc, de coaching. Et je lui ai dit Mais <laughs> euh, bah, pour ne pas appeler son nom parce que le nom me revient, Bien sûr. C'est là parce que tu as vécu un viol dans ton passé que ta vie est limitée par rapport au viol. Mm-hmm. Et ton viol que tu as vécu par le passé ne te définit pas, absolument pas. Donc je vois en toi quelqu'un beaucoup plus riche, avec beaucoup de potentialité. Et Dieu merci, donc on a fait ce processus qui a duré un peu, un peu de temps. Des fois, mm-hmm. ça dépend en fait ça peut faire deux mois, trois mois, des fois plus. Mhm. ça dépend vraiment de la disponibilité, de la disposition. de la, de la réception de, la réception de la personne. Mhm. Souvent, il y a des exercices qu'on donne à la personne. Donc, si la personne vraiment fait les exercices pratiques, mhm. il y aura vraiment des évolutions. Et avec le temps, il va avoir. elle a eu donc une amélioration par rapport à ça. Comment maintenez-vous un équilibre entre objectivité et empathie lors de vos séances de coaching Alors, c'est une question un peu. Euh, souvent, lorsqu'on met la pose, c'est un peu difficile parce que l'objectivité, donc, c'est d'aller au bout donc du coaching ou soit du travail que tu avec la personne pour atteindre l'objectif. Mhm. Et l'empathie, c'est de me mettre donc à la place de l'autre. <coughs> Est-ce que vous voyez un peu mhm, mhm. C'est comme actuellement vous allez à l'hôpital chez un docteur, vous avez une plaie. Alors le docteur va avoir mal. Mais l'objet donc de, de, prendre de l'alcool et de nettoyer, vous allez avoir mal. Est-ce que vous voyez un peu Donc, cette empathie, des fois, on compatit. Par exemple, la jeune dame dont je viens de vous parler tout à l'heure, qui a été violée, j'ai failli pleurer. Donc je me suis mis à sa place. Bien sûr, qu'il ne pas une femme. Mais un être humain qui a été violé, c'est pas facile. Est-ce que vous voyez un peu Mais des fois, lorsque tu écoutes l'histoire, les difficultés euh, de, certaines personnes, c'est un peu compliqué. Mais ça n'empêche qu'on doit être beaucoup plus. Euh, il faut avoir le cœur un peu dur, si je peux le dire aussi. un peu. Pour pouvoir aider. Voilà, pour être des fois un peu insensible mm-hmm. à la douleur de l'autre. Non pas parce que tu ne, tu ressens pas de la douleur, mais tu ressens de la douleur, mais il faut être insensible pour mener à bien le travail que tu fais avec la personne. Sinon, tu risques donc de te confondre avec la personne, donc de, te fondre, de mettre tes émotions dans le travail que tu vas faire. Et lorsqu'on met de l'émotion dans ce qu'on veut faire, on risque donc de ne pas être objectif et aller au bout. Donc, ça fait mal, on compatit, mais on essaie de faire avec pour amener la personne. Le plus important, c'est qu'à la fin, la personne puisse avoir donc son objectif atteint, donc l'amélioration de sa qualité de vie. Alors, coach Raoul, je voudrais savoir, est-ce que forcément il faudrait vivre une expérience où euh, on se sent mal pour pouvoir euh, vraiment connaître le développement personnel et vouloir exercer dans ce domaine euh, Pas forcément. Pas forcément. la plupart du temps, lorsque vous avez de la passion pour la chose, mhm. lorsque vous avez un vécu, mhm. parce que euh, ce domaine, quand vous n'avez pas vraiment de vécu, c'est un peu difficile. Mhm. Quand on n'a pas une histoire, quand on n'a pas des cicatrices, des blessures que vous-même vous avez eu à guérir, c'est un peu difficile d'aider quelqu'un à se guérir. Se voit un peu. Donc, lorsque vous avez cette passion, lorsque vous avez un vécu assez riche, lorsque par exemple vous avez lu assez de livres sur un domaine précis, surtout le développement personnel, Lorsque vous avez été accompagné, coaché par quelqu'un qui maîtrise mieux comment ça se fait, lorsque une, personne vous transmet ses connaissances, ses acquis, vous pouvez donc développer cette compétence, vous pouvez donc mhm. avoir ce qu'on appelle euh, ce caractère de quelqu'un qui peut aider une personne donc à faire donc le coaching. Merci coach Raoul euh, pour cette première partie. Nous avons retenu que déjà pour euh, être coach, euh, il faut forcément par exemple avoir du vécu pour pouvoir mieux se mettre à la place du client, pour pouvoir l'aider. Et nous avons aussi retenu qu'il faut faire la part des choses entre objectivité et empathie lors des séances pour pouvoir faire bien le boulot. Absolument. Il faut avoir du cœur. il <laughs> faut avoir du cœur vraiment. <laughs> Voilà, nous allons écouter ensemble les conseils religieux avant de poursuivre nos échanges. Comment pratiquer l'itcaf? Quelle est son importance C'est de ça que nous allons parler dans la rubrique Conseil religieux. Et eh oui, euh, pratiquer l'itkaf euh, consiste à se retirer complètement de ses activités quotidiennes les derniers jours euh, du mois de Ramadan. Selon le prédicateur, pendant cette période, le pratiquant doit se concentrer uniquement dans l'adoration de Dieu à travers les écrits et la lecture du Coran. Et tous les autres jours avant la rupture du jeûne, il est recommandé de lire le Coran. Oustaz Haladou Yahya explique. Il est joint au téléphone par Hawa Ousmane. Euh, consiste à quitter les activités de la vie quotidienne pour se rendre dans une mosquée centrale comme la mosquée de vendredi, dans l'objectif de se vaquer à l'adoration exclusivement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on se concentre dans la multiplication des bonnes œuvres qui sont la lecture du Saint-Coran ou le zikr de façon générale, la prière surrogatoire, enseigner ou recevoir un enseignement. Donc euh, l'objectif est de chercher à s'approcher d'Allah la à lui plaire. Donc l'itikaf a des avantages spirituels. L'itikaf débute dès le soir de la 21e nuit du mois béni de Ramadan. Et ça dure tout le long de la dernière décade. Tout acte d'adoration a besoin de recueillement. Tant que c'est possible, il faut s'organiser. On peut après avoir même fait ses ablutions, on peut accomplir deux, deux pour confirmer ses ablutions, lire le Coran ou faire d'autres, chercher le pardon d'Allah, réciter les formules euh, les nom et attribué de Dieu, ça nous permet donc de, rompre dans la concentration, mais surtout de pouvoir euh, invoquer. Parce que, effectivement, au moment de la rupture du jeûne, c'est un moment où les invocations sont invoquées. Voilà, c'était là les conseils religieux avec Oustaza Haladouj au téléphone par Hawa Ousmane. Pour ceux qui viennent de prendre l'émission en cours, vous êtes à l'écoute de l'émission Le Niger sur Revenons à notre invité du jour qui, je le rappelle, est coach en développement personnel. Alors Raoul, comment se passent vos échanges avec les personnes qui vous côtoient euh, encore une fois, merci beaucoup. Les échanges se passent euh, avec beaucoup d'attention et comme je l'ai dit, beaucoup, beaucoup d'écoute. Euh, l'une des qualités, peut-être qu'on va arriver à cette question, l'une des qualités, c'est beaucoup, beaucoup d'écoute souvent on parle très peu pour écouter beaucoup plus. Surtout pour les premières étapes, mm. on parle très peu. Et donc il faut prendre le temps d'écouter beaucoup, beaucoup la personne qui est en face de vous. Pourquoi Parce que généralement, les gens ont tellement de vécu. Les gens ont des histoires, gens des déceptions, des blessures, des frustrations. Et toutes ces choses définissent, toutes ces choses définissent donc la personne que, vous êtes aujourd'hui. Mm-hmm. Donc il faut d'abord prendre le temps d'écouter le passé de la personne. Et lorsqu'on essaie maintenant d'écouter tout le passé de la personne, on prend donc le temps de poser donc des questions pour encore creuser en profondeur, pour que la personne puisse s'exprimer et dire certains, certains détails par rapport à ce qu'elle a partagé avec vous. Mm-hmm. Et c'est à partir de là que maintenant on peut commencer par faire maintenant le travail de façon personnelle et individualisée sur la personne, soit avec la personne. Je ne sais pas si a répondu à votre question. Oui, c'est un processus. C'est un processus, oui, c'est un processus. Donc, si je comprends, l'écoute joue un rôle très important dans la guérison ou bien dans l'accompagnement. Dans l'accompagnement, l'écoute joue beaucoup de choses. Lorsque je ne prends pas le temps d'écouter, par exemple, la Bible, bah, comment je peux comprendre son problème soit sa difficulté, sa difficulté, je ne peux pas. Mhm. Donc, je dois prendre le temps de l'écouter énormément. Avec beaucoup de détails, beaucoup d'attention beaucoup, hein, beaucoup d'empathie. Voilà, qui nous... beaucoup d'empathie. Ce qui nous amène à la question suivante. Et quels sont les facteurs qui peuvent euh, bloquer le développement personnel d'une personne, par exemple, quand vous la coachez Ok. Il y a beaucoup de facteurs, d'abord, notamment, euh, vous savez, euh, il y a l'environnement d'abord qui est là, mhm. l'environnement immédiat. Mhm. hier soir, j'étais donc à une séance de coach avec un jeune mhm. qui est venu. Et je me souviens, il m'a dit hier, des fois, lorsqu'il rentre à la maison, euh, c'est un jeune qui n'est pas encore marié, euh, il a plus de 25 ans. Mhm. Ses sœurs, donc, qui sont beaucoup plus, euh, âgées, plus âgées, et mhm. certaines, donc, il est, plus, est, plus âgé, lui pose un regard comme si, lui, par exemple, à son âge, il doit être marié. Mhm. vous voyez un peu. Donc, l'environnement constitue donc d'abord un blocage. Les pensées limitantes et négatives de la personne elle-même Mhm. Les blocages psychologiques donc, que la personne a sur euh, elle-même. Le fait donc de vivre constamment dans son passé, donc ce sont des blocages. Ce sont des choses qui bloquent l'évolution, soit la progression euh, d'une personne dans un domaine, soit dans tous les domaines de sa vie. Mhm. Est-ce que vous voyez un peu Et lorsque vraiment on arrive vraiment à débloquer tous ces, domaines par rapport à l'environnement, sur le plan psychologique, sur le plan mental, même sur le plan émotionnel, mhm. on peut maintenant donc aider la personne à passer d'une étape, pardon, d'une étape A vers une étape beaucoup plus B, améliorer ou soit évoluer. Mhm. Et comment surmonter ces peurs et ces doutes pour atteindre ces objectifs Alors, la peur d'abord, qu'est-ce que c'est la peur C'est juste une perception erronée d'une réalité. Mhm. Je vous, donne un exemple très simple. Les gens, par, les gens, par exemple, ont peur de parler devant un public parce que quoi, les gens ont une perception, donc une façon de voir la prise de parole public comme étant quelque chose de compliqué. Mhm. Donc les gens se jouent des films dans la tête les gens se racontent des histoires fausses dans la tête. Qu'est-ce qu'ils vont penser Qu'est-ce que les gens vont penser Alors qu'en réalité, c'est juste, comme je l'ai dit, ce sont des, faux, des, des films erronés. Ce sont des faux films qu'on se raconte dans la tête. Dans la peur, c'est d'abord de façon psychologique. Mm. Est-ce que vous voyez un peu Donc, comment surmonter il faut d'abord traverser le mental. Comme je l'ai dit, c'est une perception erronée. Il faut juste changer la perception, de la perception ou bien la façon de voir les choses de façon correcte, mm-hmm. ou ça de façon droite, de façon normale. Mm-hmm elle se voit un peu. Donc, lorsque maintenant on essaie de faire ce travail donc, sur le plan psychologique, à regarder autrement les choses de façon positive et normale, mhm. on peut facilement surmonter. Maintenant, les doutes, c'est quoi La plupart du temps, lorsqu'on a, on a échoué à faire une chose, lorsqu'on a manqué le fait de faire quelque chose, ça crée en nous donc un sentiment d'incapabilité et d'impossibilité. Et ça crée des doutes. Elle se voit un peu. C'est comme hier, donc, le, le jeune homme, euh, si, si, si, je ne prends pas trop de temps. Mhm, allez-y. Alors, il m'a dit hier que, à une étape de sa vie, il a été donc chargé donc de d'organiser donc d'être à la tête de l'organisation du mariage d'un de ses amis, de, ses amis. Et malheureusement, il n'a pas réussi comme cela se doit. Et il me disait que jusqu'à présent, mhm. ça le bloque, ça le frustre. Mhm. Je l'ai dit, ce n'est pas parce que tu as manqué de faire, d'organiser de la même façon le mal de ton ami par le passé que tu ne peux plus faire maintenant 10 voire 15 mariages de la même façon possible. Tout peut changer. tout, peut changer en fait. Est-ce que vous voyez un peu Exactement. ce qui m'amène à vous poser cette question-là qui peut intéresser euh, quelqu'un dans sa situation ou bien pourquoi pas nous. Quels sont, euh, de nos nous peut-être deux outils ou deux exercices qu'on peut faire euh, pour utiliser pour améliorer la confiance en soi Alors la confiance en soi, première des choses, c'est quoi Lorsque vous voulez développer la confiance en soi, Commencez par regarder les gens dans les yeux lorsque vous parlez. Je sais que dans nos cultures, dans nos traditions, euh, dans nos, dans nos pays, un peu, c'est un peu compliqué. On dit souvent aux jeunes, à l'enfant, quand tu regardes quelqu'un dans les yeux, c'est un signe d'impolitesse et de manque de respect. Mhm. malheureusement, les gens grandissent en ne regardant jamais les gens dans les yeux lorsqu'on parle. Mhm. Est-ce que vous voyez un peu Donc, commencez donc par regarder les gens dans les yeux comme je vous regarde. Ah, madame Habiba. <laughs> Notez. <laughs> donc, donc, regardez les gens dans les yeux lorsque vous parlez. Deuxième chose, lorsque vous allez à une invitation, à un événement, à une conférence, c'est pas un mariage, et qu'il y a des places vides qui sont laissées devant, et qu'il y a la possibilité donc de s'asseoir, n'allez pas vous asseoir derrière. Mhm. Souvent, vous allez voir la, personne, euh, la première personne à venir, il n'y a personne dans la salle, mais elle va s'asseoir derrière. Alors, c'est un signe de manque de confiance. Les gens ne savent pas, en fait. Est-ce que vous voyez un peu Autre chose, rapidement, le troisième chose, c'est quoi Chaque matin, regardez dans votre miroir, appréciez-vous Dites-vous que je suis le meilleur, je suis bon, je suis capable, j'ai la confiance, je peux faire ce que je vais faire, je peux changer ma vie, ainsi de suite. Donc répétez continuellement beaucoup de ces phrases qui, donc, qui vous rassurent, qui vous donnent de l'assurance, de la confiance en regardant dans le miroir. Et surtout, appréciez-vous, appréciez la personne que vous regardez dans le miroir. Et c'est certainement vous-même que vous allez regarder. <laughs> Super, alors quelles sont les étapes qu'on peut suivre, par exemple, pour identifier ses valeurs et aligner sa vie en conséquence Ok, les valeurs, c'est quoi en fait C'est ce à quoi on accorde beaucoup plus d'importance. Mhm. Un exemple très simple Lorsque je suis, je, me marie avec une femme, l'une de, ses valeurs principales, en tout cas, la fidélité. Alors, si je valorise donc la fidélité dans mon mariage, mhm. la fidélité va me être comme pour moi une valeur. Mhm. Est-ce que vous voyez un peu Donc, les valeurs, c'est ceux à quoi on accorde tellement d'importance. Ça peut être sur le plan professionnel, sur le plan personnel, sur le plan social. Donc, c'est de, chercher d'abord à identifier ceux à quoi nous accordons de l'importance, de la valeur dans ce que nous voulons faire dans, dans notre vie, dans notre carrière, dans tout ce qu'on essaie de faire. Est-ce que, vous pouvez me rappeler un peu la question, oui, la valeur et quoi Oui, Jacques, comment faire pour euh, identifier Ces valeurs euh, à nous, nos valeurs, et aligner sa vie en conséquence Alors, comme je l'ai tout à l'heure, lorsque vous priorisez, lorsque vous donnez donc, prenez comme la fidélité comme étant une valeur dans votre, dans votre mari, dans votre couple, mhm. vous allez vous aligner à ça. Et la plupart du temps, ces valeurs donc, nous permettent de nous améliorer et d'aller à une étape beaucoup plus supérieure dans notre vie, que ce soit personnelle, ou ça, sur le plan professionnel. Est-ce que vous voyez un peu mhm. Et on ne peut pas vivre vraiment sans valeur. Un être humain qui n'a pas de valeur, en fait, euh, c'est un être humain, je peux dire, qui n'a pas vraiment une fondation, parce que les valeurs sont comme une fondation sur laquelle on construit notre vie, que ce soit la vie personnelle, la vie conjugale, la vie professionnelle. Mhm. Donc si on n'a pas de valeur, on ne peut pas. Aujourd'hui, vous allez voir que quoi L'une de, peut-être l'une de, vos valeurs ici, c'est peut-être la ponctualité, je ne sais pas. Mhm. Mhm. Le service, est-ce que vous voyez un peu mhm. Et lorsque, par exemple, Studio Kalangou n'est pas axé sur le, fait d'apporter l'information de la meilleure façon possible aux éditeurs, vous allez voir que le travail ne sera pas bien fait. Donc, ce qui fait que possible. Exactement. Donc, voilà. J'ai répondu Oui, <laughs> <laughs> merci beaucoup. Alors, Raoul, quels sont les défis les plus courants auxquels vous faites, vous faites face en tant que coach en développement personnel et comment vous les abordez euh, ok, je pense que j'avais déjà, abordé cet aspect. C'est souvent de se retrouver en face des gens dont l'histoire ou soit le vécu, lorsque la personne en face de vous, ce qu'il vous raconte, mais ce qu'elle vous raconte, c'est n'est pas facile à, digérer. <laughs> à digérer. Ça, c'est mm. vraiment une des difficultés. Et comme je l'ai déjà dit, il faut vraiment avoir euh, le cœur vraiment pour le, pour le surmonter. Autre chose, souvent, il y a des gens, la personne va venir chez toi, vous commencez le processus, mais la personne ne va pas se donner à fond que vous voyez un peu. Mhm. alors, que, alors que lorsque la personne ne se donne pas à fond, lorsque la personne voilà, ne fait pas la pratique, or la pratique, c'est ce qui permet d'avoir du résultat. Mhm. Comme je l'ai dit hier, ce n'est pas le sport qui permet d'avoir une meilleure santé, c'est la pratique du sport. Ce ne sont pas les fruits qui donnent de la santé, c'est la consommation du fruit. Mhm. Elle vous voyez un peu. Donc, sans la pratique, sans le fait de respecter certaines choses qu'on vous recommande de faire lorsqu'on vous venez pour euh, faire de coaching bien un accompagnement, lorsque vous ne faites pas la pratique, ça n'a pas produit du résultat. Généralement, les, certaines personnes... Ce n'est pas pour vous couper, Raoul. est <laughs> Quelle étude faire pour être coach en développement personnel, où tout le monde peut les devenir Qu'en est-il pour devenir coach Oui. Si vous avez vraiment de la passion, si vous avez vraiment un vécu, comme je l'ai déjà dit, si vous avez lu assez de livres, si vous avez quelqu'un qui vous accompagne, quelqu'un que vous avez suivi, qui est donc coach, qui est dans le domaine, ça peut vous amener donc à le faire, donc à devenir coach. Alors, on n'est pas souvent, euh, je se poser la question, est-ce qu'on a réellement besoin de faire, par exemple, de suivre une formation, d'avoir un diplôme mhm. Moi, je réponds, la plupart du temps, c'est vrai, ça touche les gens, mais pas, nécessairement. Mhm. Pourquoi ce n'est pas parce qu'aujourd'hui nous sommes dans des pays ou bien dans une période où il y a la civilisation, il y a l'évolution, le progrès, qu'on euh, doit se limiter uniquement à ça. Pourquoi Parce que nos grands-parents, c'était des coachs, des sages, des mhm. vieux mhm. qui permettaient donc d'aider les gens donc, à s'améliorer, à, trouver des solutions à leurs problèmes, ainsi de suite. Et pourtant, ces vieux n'ont jamais été à l'école. Mhm, c'est vrai. Mais sincèrement, était à l'école. En tout cas, avec vous, leader Raoul, moi je dirais coach Raoul, on apprend beaucoup. Nous et nos auditeurs, nous avons beaucoup appris grâce à vous sur le développement personnel. On pouvait en parler jusqu'à demain, mais le temps est contre nous. Nous vous souhaitons une très bonne journée et merci d'être passé au studio Kalango. <laughs> Merci beaucoup. Chers auditeurs, passons à présent à la rubrique euh, conseils et nutrition. Oui, c'est mira une boisson énergisante, comme son nom l'indique, est une boisson qui procure de l'énergie au consommateur. Cependant, on ne doit pas la consommer à certaines heures et aussi il faut en consommer avec modération. Plus de détails avec le nutritionniste Gazak Bello, il est au micro de Zenabou Abdou. Euh, une boisson énergisante, c'est une boisson, comme son nom l'indique, quand on la consomme, on a tendance à avoir de l'énergie. Et c'est c'est une boisson qui, en plus des éléments naturels qu'on a, a dans les boissons, contient d'autres substances. Et ce sont ces substances-là qui vont conférer à, la, à cette boisson-là des vertus énergisantes. En tout cas, beaucoup plus que les autres boissons euh, qu'on connaît, notamment les, boissons, les boissons sucrées. Donc, il y a des substances qu'on y ajoute pour que justement euh, il y ait un excédent énergétique. Donc, ça permet à ce que l'être humain qui consomme cette boisson-là, vraiment, il va avoir beaucoup, beaucoup d'énergie. Ces boissons énergisantes ont-elles un apport nutritif oui, euh, le principal apport nutritif, c'est comme je l'ai dit, c'est vraiment lié à, la présence de, l'énergie. Et cette énergie-là, euh, lorsqu'on a normalement des activités physiques intenses et qu'on a besoin d'énergie, on peut avoir recours à ces boissons-là. Également, euh, on peut retrouver d'autres éléments nutritifs dans, le, dans cette boisson énergisante. Hein. Notamment, on peut avoir dans d'autres, on peut avoir de la caféine. Dans d'autres, on a de plus en plus euh, des additifs alimentaires de type taurine. On a vraiment de, euh, c'est surtout la caféine qu'on a et c'est, ça également ça peut avoir un effet positif hein, lorsqu'on sait que également le café permet de maintenir l'individu en, en, éveil. Donc voilà un peu les principales vertus, c'est vraiment l'énergie avec un peu de caféine et d'autres d'autres additifs alimentaires. Et selon vous, faut-il les consommer en accès euh, non, la consommation des boissons énergisantes doit se, doit se faire avec modération, essentiellement pour plusieurs raisons. Euh, pour la raison simple qu'on a euh, de, beaucoup de café et, le café consommé en excès peut avoir des effets sur euh, la qualité du sommeil. Ça peut avoir des, des effets sur, notamment lorsque le jeuneur prend beaucoup de café, boissons énergisantes, donc ça peut empêcher le jeuneur de dormir paisiblement. Ah les personnes en général, donc lorsqu'on en consomme beaucoup, cela peut affecter la qualité du sommeil et c'est la raison pour laquelle les boissons énergisantes, on doit éviter de les consommer tard le soir parce que lorsqu'on les consomme le soir, euh, ça a tendance à euh, permettre la production des hormones qu'on appelle les hormones d'éveil alors qu'il est l'heure de dormir. Donc du coup, même si on dort, on a du temps, on a tendance à ne pas avoir des sommeils de qualité et cela peut affecter la, entraîner la fatigue. Également, euh, la consommation excessive de ces, de ces boissons-là, compte tenu de la présence du café, de la caféine, peut avoir des effets sur euh, l'absorption de certains nutriments, notamment le fer, le calcium, lorsqu'on sait que lorsque plus il y a de la caféine et plus certaines substances vont, être, mal, être mal absorbées. Donc cela peut avoir un effet sur euh, l'absorption des, nutriments. Sans compter que, comme je l'ai dit, euh, il y a d'autres additifs alimentaires qui euh, également doivent être consommés avec beaucoup de modération. Donc c'est pour dire que vraiment les boissons énergétiques, il faut les consommer avec modération et surtout éviter de les consommer tard le soir. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens Alors câblez-vous sur votre émission du Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangu est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangu. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Chers auditeurs, il est 11h passé de 29 minutes et c'est l'heure de la rubrique hebdomadaire santé de l'émission Le Niger sur Kalangu. Cap sur le département de Tessawa, région de Maradi. Habiba Ahmed, vous étiez là-bas dans euh, le premier centre de santé de la ville. Ado Iliassou, le responsable de l'établissement, nous parle de son fonctionnement. Le CSI Guindawa c'est le premier CSI urbain de Tessawa avant la naissance de l'autre CSI. Sinon, on était le seul CSI, mais maintenant il y a deux. C'est un CSI de type 1 qui dessert une population de 69 943 habitants, dont les trois stratégies on a les trois stratégies fixes, avancées et, mobiles. Il dessert encore en dehors de la population 31 euh, villages. 31 villages qui sont situés dans les trois stratégies avancées, fixes et, mobiles. Quelles sont les maladies les plus fréquentes dans votre CSI Bon, les maladies les plus fréquentes, ça dépend de périodes. À cette période, les maladies les plus fréquentes, c'est les infections respiratoires, c'est les rares IRA pneumonie. Euh, on a des cas de paludisme qui sont endémiques, si on peut le dire. On a des affections digestives, on a des fièvres typhoïdes qu'on rencontre ici. Les HTA nous euh, consultent, beaucoup encore. Et il y a encore des cas isolés de, de diabète. Alors, comment se fait la prise en charge de ces malades Bon, la prise en charge, elle se fait à base de de la participation communautaire. On a deux tarifs dans ces CSI-là. On a la catégorie A et la catégorie E. Dans la catégorie A, le malade vient, quelle que soit la maladie qu'il présente, il paye 800 francs, on le traite en fonction de nos moyens. Il y a des médicaments qui nous manquent. Tout ce qu'on a, on sert le malade et ce qu'on n'en a pas, on prescrit une ordonnance. Il y a la catégorie E, Là, le malade paye 2100 francs. Ça aussi en fonction de, notre disponibilité. Les médicaments qui sont à notre disposition, on sert les malades, on les traite. Ce qu'on n'a pas. On prescrit des ordonnances, il y a des, des, revendeurs qui sont là à côté. C'est là-bas que les malades prennent leurs produits qui nous manquent ici. Mais c'est rare d'avoir une rupture de médicaments. Mais quand ça nous arrive d'avoir des ruptures de médicaments, là, on est contraint de prescrire les ordonnances. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez Notre plus grande difficulté ici, vous avez vu, c'est un CSI urbain qui est à moitié clôturé. Et ça, c'est une difficulté. Ça nous dérange. Le CSI n'est pas totalement clôturé, ce qui fait que tout le monde passe. Un, de deux, c'est un CSI urbain et la majorité des prestataires, c'est des, femmes qui prennent la garde et la permanence. Mais malheureusement, on n'a pas de gardiens. Et ça, les femmes vraiment sont trop exposées. Ça, c'est encore des difficultés. On n'a pas de difficultés par rapport à la fréquentation parce que le CC est bien fréquenté. Avant là, on avait des difficultés par rapport aux boîtes d'accouchement, mais cette fois-ci, oh, vraiment le problème est réglé. Tout récemment, on a eu une dotation par rapport aux boîtes d'accouchement. Et ça, les matériels, les lits, les bancs, vraiment les bureaux, c'est disponible. Tout ce qui nous manque, et ça aussi, c'est un cas général. C'est le nouveau registre. vous savez, tous les supports ont été révisés un moment, on nous a doté de, nouveaux registres, de nouveaux supports, mais malheureusement, il y a une rupture. Maintenant, on est obligé de traiter les malades dans les registres, dans les anciens registres. C'est ça, entre autres, la, difficulté. Mais c'est dans la ville qu'on a énormément de difficultés. Notre plus grosse population se situe entre 0 5 km. Malheureusement, c'est les 5, 0, km qui fréquentent peu eh, eh, les CSI en, termes de vaccination. Et ça, on est confronté à trois situations, ces trois couches sociales qui fréquentent peu le CSI. C'est d'abord nous les fonctionnaires, c'est les religieux, c'est les commerçants qui n'ont pas le temps d'envoyer leurs femmes parce qu'ils n'exercent pas leur métier. Ici, la plupart de nos commerçants exercent leur métier euh, dans la région d'Agadez. Et ce qui fait que les femmes ne peuvent pas sortir sans l'aval de leur mari. C'est ce qui fait que les femmes-là ne viennent pas pour protéger leurs enfants en termes de vaccination. Quel message avez-vous à l'endroit des autorités Le message, c'est peut-être d'intensifier la sensibilisation par rapport aux aux hommes de laisser leurs femmes amener leurs enfants pour la vaccination, surtout les trois couches là dont je vous ai cité plus haut. Ou bien on va trouver une autre stratégie. À un moment, on a commencé une stratégie, le fait de vacciner les enfants dans les quartiers. Bon, on a vu que ça c'est encore bon et c'est encore mauvais. Parce que si on habitue aux femmes de les vacciner, de les vacciner leurs enfants dans leur quartier, un jour, ils ne vont pas venir aussi ici se faire vacciner. Voilà, c'était euh, la rubrique santé du jour. Place maintenant à l'écho des et à régions et pour ça nous remontons vers Difa, plus précisément à pour faire la situation de l'exode rural. Ces derniers temps, à les hommes quittent massivement la ville pour la migration dans d'autres pays. Selon eux, ils partent à la recherche d'une vie meilleure, laissant derrière eux femmes et enfants. Et cela n'est pas sans conséquence euh, sur la vie de leur famille, une situation qui est inquiétante. Le reportage est signé Abdoulaye Maina. À Ningimi, nombreuses sont les foyers dont les hommes et les chefs de famille sont en exode. Ils ont laissé leurs femmes et leurs enfants laissés sur place rencontre de difficultés à l'absence de leurs époux. quelques sex Yanzu mazaje da suke barin matan su suke tahiya yawon tabara da menene yawon tabara da yawon neman kuɗi. Ka fita ka tayi neman kuɗi shekara ɗaya biyu har zuwa biyar wani shekara shida wani zai iya yin goma mace karama ka tayi ka barta yanzu wannan abin zai yiwu ne. Kada dole ba mutum bane duka za ta kashe zuciyanta ta hakura. ta ce bari in haƙura sai mijina ya zo. Kenan za ta je ta shiga cikin wani hali kenan kai ka kware ta. Dan Allah dan annabi yaran maza ku yi ƙoƙari wannan abin da kuke ku yi ku fidda a cikin kanku. Tsakani da Allah akwai matsala menene matsalan yawancinsu suna da iyali ka bar mata da yara za ka dai kai shekara ɗaya biyu uku baka tare da matanka baka tare da yaranka to kenan mace in ma akwai danginka wanda suke kula da ita za su gashi an bar yara da yunwa ba abinci mai kyau babu sutura kullum yara suna ragaita wani a haka yaro ya ta ya shiga wani sata ya yi wani doke-doke Malam Ousmane Enoulema a Ningimi explique les conséquences de l'absence prolongée des hommes selon la religion islamique. A musulunci idan namiji ya kasance zai yi bulaguro akwai hadisin da yake magana akan annabi ya nuna cewa idan namiji zai fita tafiya to in dai zai wuce kwana arba'in to an ce ya kamata ya da matarsa saboda gudun al'amarin da zai ta dawo hakurin da mata suke yi ba zai wuce tsananin sun daɗe ma dai Yanda kaman hadisin yake nuna gaggawa yana nuna cewa mata duka tsananin haƙurin su kwana arba'in ne game da nisantan su da maza kuma alhali namiji ya fita ya tafi ya je wajen wata biyar wata shida wani mahaye shekara kaga ba karamin shiga haƙƙi bane idan mace ta kai wata uku to kwata-kwata ta kafa ta cikin wani hayyacinta na daga al'amari na kare kanta daga aikata irin waannan abubuwan na asha bisa kan mazan da suke yin irin wannan abubuwan to ya kamata su kiyaye les associations féminines qui luttent contre ces phénomènes continuent de sensibiliser la population sur les impacts de l'exode sur la vie des femmes et des enfants. Madame Nuhu Bala présidente de l'association Haske Maganin in kana so ka kasance da mutuncinka da darajarka ka tsaya a ƙasar ka kai neman kuɗin ka inda hali hi da ka tafi wata ƙasa a kaskanci sai ka je ka mutu a can ma dangin ka basu da labarin ka ba su san yanayin da kake ciki ba babu wanda ya san ka babu daraja babu mutunci amma in a ƙasar ka kake duk inda abu ya same ka kana tare da in ka daga an diba an gani wannan wadan Nijar ne dan gari kaza in aka komo bangaren iyalin mazan da suke zuwa neman kuɗi iya da matan su ana barin su cikin garari babu abinci babu abun sha babu wurin kwanci mai kyau babu les épouses estiment qu'il est nécessaire que les autorités et le leader religieux redoublent d'efforts pour sensibiliser la population et mettre fin à cette situation d'exode pour le développement local. C'était là le reportage en région signé Abdoulaye Meina. Nous profitons de ce reportage pour passer nos chaleureuses salutations à la population de Difa qui nous écoute en ce moment à travers la radio d'Ileram sur euh, les 99.mHz et sur la radio Kessa sur les 99.mHz également. Chers auditeurs, c'est l'heure du sport et dans ce studio, nous sommes en compagnie de notre chroniqueur sportif du jour, Adam Sariou. Bonjour Adam. Bonjour Mira, bonjour Abiba. Bonjour Adam. L'actualité oblige, nous sommes dans la trêve internationale où presque toutes les équipes nationales se retrouvent en regroupement, n'est-ce pas Adam eh bien oui, dans le même cadre, l'équipe nationale du Niger se trouve actuellement au Maroc pour un stage de deux matchs amicaux à la clé. Le MENA national a manqué sa première sortie contre les éperviers du Togo, un but à deux. Ce soir, le MENA national tentera de prendre sa revanche sur les étalons du Burkina Faso. Le nouvel entraîneur Zaki Badou et le capitaine Alio Oumarou Dibale se sont prononcés avant ce match contre le Burkina Faso au micro de notre confrère de la RTN, la radio-télévision nationale. On l'écoute. Le match Togo, je suis content du rendement de l'équipe. Au Burkina Faso, je vais donner encore euh, des chances à des joueurs pour que le voient aussi pour euh, donner un plus pour notre système de jeu, pour notre plan de jeu et d'avoir notre style de jeu, soit offensivement, soit défensivement, et l'automatisme. Et toujours, c'est un match test, c'est un match costaud que nous va servir pour nous, c'est d'être prêt pour le, match G qui va être le mois de septembre ou le, le mois de juin coach essaie de nous inculquer euh, une mentalité d'aller gagner les matchs, de faire des, belles prestations et en fin de compte chercher les résultats. Donc ça va être euh, certainement le dernier match avant les compétitions des éliminatoires de la Cannes et de la Coupe du Monde. Donc il faut bien préparer le match et aller de l'avant et avoir un bon résultat en gagnant le match pour pouvoir donner plus de confiance et revenir avec euh, plus de certitude pour les prochaines éditions. Adam, parlons à présent des autres nations africaines qui vont se mesurer à d'autres poids lourds européens. Eh bien, nous allons débuter par le champion d'Afrique en titre, la Côte d'Ivoire, qui sera opposé ce soir à l'Uruguay après sa première sortie contre le Bénin, match nul de deux buts partout. L'Égypte de Mohamed Salah jouera contre la Croatie et enfin le Nigeria contre l'Argentine qui est malheureusement reporté à une date ultérieure. Chers auditeurs, c'est la fin de cette chronique. À demain pour un autre numéro. Merci Adam pour toutes ces informations. Bonne journée. Merci. Qui allons-nous découvrir, Samira la rubrique Portrait d'aujourd'hui nous amène à la rencontre d'un jeune promoteur de la culture nigérienne. Il s'appelle Abdoulaye Tini, connu sous le nom de Manaja. Son portrait avec Aminata Boubacar, rendu au studio par Moussa Hassan. a gwanda jiri warancin da haku abdullahi tin mayo ki gabe daga ci manaja lise na fatar lokol kafur nijar mai zaden diyan fannora kan binafun jirzan bani kan da ya gara min da zamani gani kunda kan sigine le singi sinji manaja haska goni mo gani fandudan yan foto sambu yan video te yan da don don talame kai gite bata ga sanda patin kawayawa da hannun yan ga kula na dinga chore go goyen te sanda bata sigir kauzi yan kanal please fandu sinji yan barji kat kai ne din noya wali je ga burnyen tira kan sigine de maraji te yan da muradu bobo iri manga nasi desambu 2019 oga ka 2020 o aina studio photo te zangi namu harka zamiro er tanga mo gabo kun namu harka no irga filmage mo te irga photo album yante ya wal tabedi ye de soare kan ka gano da photo de er tonton ara talam batam talam donc ay ma garo da nguno son ay ka inda ke entreprise bo ante manager business ay sin kalbor hinza kan ka ay dan sore inge o du projet gono ingino igice sanda furta kin do manajan mu gogi disan dai yan zama ga furmura do boburano cefo yan asinda bano kan ga gasandi asfala barkan go ce tiga entreprise tunan da ingi hinne su shi be ro moda kun der ba ko nangu fo kan gine sambe bo ba fa giberi decoration gine ga ba siban taksira ingi adenia kalsu zama ed sino ergo te yihina da ircer gamara dan da dai kilenge do haro no bum igonda senden den kin te kontra do hara zanga bora ga ba goyi kan bora su ba a anoro no abdullahi mane bora zainab bubukar ningi chora yari da kokoro dahiren dirse a ne ane ji muna nadu bubu koyno borno kangu koy gumo masha Allah ni ji agbore don ji gani sun zamanu wo dije imene kalfatin kauyawa ni ji fatin kauyawa za mu igin gai decoration decoration yante decoration wodi mu mana jagate je ga mu ni gidi gine inte kartiyan aga kartaice kwayi mo ni zai da kayan ga gidan bora kota wadi yan full day agate borno kan masha Allah wo kai abulaiti ni bona Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Chers auditeurs, place à présent à la rubrique rose. Qu'est-ce que le FU nous propose aujourd'hui tout le monde, bienvenue dans ce numéro de votre rubrique Rose jusqu'au bout des ongles, une rubrique qui a été pensée et créée par le studio Kalangu, une plateforme d'information et d'échange autour de toutes les thématiques qui intéressent la jeune fille nigérienne, des sujets santé et bien-être à l'éducation, aux sujets plus fun sur la cuisine, la mode et la culture, du sport et bien sûr de l'actualité web bien croustillante seront traités et partagées par nos chroniqueuses la rubrique rose, on va parler des pellicules. Tout d'abord, pourquoi des pellicules Question de rapidité de la peau. Quand tout va bien, le cellules de cuir se renouvellent toutes les trois à quatre semaines. Un processus bien rythmé et invisible. Mais parfois, tout va bien plus vite et beaucoup trop vite. Elle se renouvelle en deux jours environ. Cela signifie une quantité importante de cellules mortes, ce qu'on appelle les pellicules. Après, elles ont des façons différentes de se manifester. Les pellicules sèches, elles sont petites, blanches et se détachent très facilement du cuir chevelu pour arriver sur nos vêtements pas très glamour. Les pellicules grasses, elles sont plus grosses, jaunes et collent au cuir chevelu. Ils ont du mal à respirer. Cela l'irrite et peut provoquer des démangeaisons. Pas très sympa. Qu'est-ce qui dérègle ces cycles de vie les explications sont nombreuses, parmi lesquelles sont connues le stress, la fatigue, la chaleur, une mauvaise alimentation, le tabac, un trouble anormal, la pollution, une eau trop calcaire. Cela signifie que le pellicule n'a rien à voir avec une mauvaise hygiène. Ouf autre bonne nouvelle. Puisqu'il s'agit d'un problème de peau, on peut calmer tout ça, aussi bien leur apparition que leurs sensations désagréables qu'elles engendrent. Et pour y parvenir, direction la cuisine. Première astuce antipelliculaire naturelle, le vinaigre, un ingrédient qui vient en aide à tous les types de cheveux. L'acidité du vinaigre du cidre va modifier le pH du cuir chevelure et détruira les saletés, des actions qui ne vont pas plaire aux pellicules elles vont tout simplement arrêter de se produire. Le vinaigre permet également d'éliminer les bactéries qui seraient présentes et donc à décalmer les démangeaisons. Plus question d'hésiter. Notre soin à base de vinaigre avant le shampoing. Versez un peu de vinaigre de cidre pur sur votre tête. 4 cuillères à soupe peuvent suffira. Si vous préférez, vous pouvez les diluer dans l'eau, mais à part égale. Un verre de vinaigre pour un verre d'eau, par exemple. Massez votre cuir chevelu Laissez poser une Rincez en faisant votre shampoing. Un petit rituel à adopter deux fois par semaine. Astuce antipelliculaire numéro 2. sels. Tout aussi facile à trouver chez soi, sels est un ingrédient beauté naturelle multiple. Exophilant, régulateur de sébum, il permet un gommage en douceur de cure chevelu pour retirer le pellicule. Mélangez une poignée de sel gros ou fin dans un demi-verre d'eau. Versez ce mélange sur la tête en frottant votre crâne pendant 5 minutes environ. Patientez 10 minutes. Rincez correctement à l'eau tiède ou passez à votre shampoing habituel. C'est tout pour la rubrique rose. On se dit à demain avec d'autres bons plans. Merci aux filles euh, du studio Kalangu pour euh, cette rubrique rose. Euh, maintenant, passons à notre loti du jour. Et ici, euh, les femmes du studio Kelangu partagent avec nous leur expérience euh, sur une autre manière d'épargner, mais ce n'est pas de l'argent, ou bien c'est plutôt de la nourriture qu'on appelle à euh, C'est une discussion entre Hawa Ousmane et Rabia Mekano. On l'écoute. shekaran jiya na ga matan mu sun taru wata ta ɗauko hanteka cike da su maka da su gwangwanin tumati da sabuli da mai kai in takaice miki labari kaya jirgib wai an ci a ci kwakwa ko ki san me wannan a ci kwakwa ha ba kawali amma ko ki har yanzu baki san a ci kwakwa ba wallahi an barki ai in kina a ci kwakwa iyalinki sun huta za ku kwashe watanni ba kwa siyan abinci kinga kuɗin ku hidda su shiga wata hanya ashe to yaya wannan tsarin yake da farko dai za ku yi shawara da mutanen unguwarku ku jagora ku tantance lokacin da zan ku rinka haduwa in sau biyu in sau ɗaya a cikin sati sai ku tsaida kayan ku ranar da za ku haduwa sai kowace ta kawo abin da ta yi karhi na nau'in abinci ko makamantansu kawali ƙara bani in sha wannan labarin naki da daɗi yake ai bari in kika shiga a cikwakwa za ku samu su tumatin gwangwani shinkawa aran maji kihin gwangwani omo gishiri sukari su makaroni ke ba abin da ba za ku samu a ciki ba gaskiya kawali mata sun yi tunani a wannan wurin wannan tsarin na a ci ya yi daidai kuma babu shakka zai taimaka ma iyalai kwarai da gaske amma haƙawali kan mai gida ya je ga wannan kayan a ci na ɗauko na kawo gida ya rage mun kuɗin kayan miya kin gani a <laughs> ba kwarge kuma kanki sare mana ai kuɗin kayan miya daban suke Merci mesdames pour cette découverte euh, d'un nouveau genre de tontine. Chers auditeurs, découvrons ensemble les différentes recettes avec la banane et surtout comment conserver ses fruits avec toi Samira. Pour commencer, je tenais à vous faire euh, découvrir la banane plantain, un fruit génial euh, qui mérite vraiment qu'on le découvre et qu'on lui donne une place de choix dans la cuisine, tout comme on le fait déjà pour la pomme de terre euh, ou la patate douce. Pour rappel, sachez que la banane jaune, outre de nous rassasier pleinement et d'être sans gluten, possède un apport nutritionnel très intéressant. Il existe des centaines de recettes à la base ou contenant de la banane fruit mais je ne vais citer que quelques-unes et qui sont très célèbres et très typiques de certains pays de la sous-région. Déjà, nous commençons par la loco, banane plantain tranchée et frites, ça c'est en Côte d'Ivoire. Cloco, banane bien mûre, pilée, mélangée à la farine, puis frite, toujours en Côte d'Ivoire. Nous allons aussi parler de cette recette qui est le foutou de banane ou foufou de banane. Mélanger la banane plantain mûre et du manioc bouilli, puis pilée et avoir une bonne pâte pâteuse bien accompagnée d'une bonne sauce. C'est vraiment très délicieux. Nous avons aussi des chips de banane plantain. Il y a aussi le foufou de plantain. banane plantain en purée. Nous avons aussi l'ac euh, l'akpissi, recette ivoirienne à la base d'aubergines africaines, de poissons fumés et d'autres légumes dont la banane plantain, le manioc. Et en bonus, je vous laisse une petite note comment conserver la banane farine. Tout comme la banane dessert ne se conserve pas au réfrigérateur, sinon elle risque de noircir et d'être endommagée, à l'exception de la banane plantain qui est déjà très mûre et donc déjà presque noire, car cela va l'empêcher de mûrir encore plus et donc euh, de pourrir. La banane verte se conserve environ une semaine ou plus à température ambiante. Une température plus élevée aura tendance à la faire mûrir trop vite. Et maintenant, à vos claviers, vous allez me dire en commentaire sur la page du studio Kalango qu'est-ce que vous pensez de ce fruit et légumes voilà, c'était là notre première recette. Passons à une autre recette, cette fois-ci en direct. Ça sera avec Hawa Ousmane euh, du studio Kelango. To, Hawa, zamu mu saurare ki yau za ki gabatar mana euh, da miyar wake da tuwon dawa ko in manta ba kamar eh. muna alkawari to muna sauraren ki to madalla ina ku ina gaida dukkan waɗanda suke saurare a daidai wannan eh, zan gabatar da tuwon dawa dawa kuma ba dawan masara ba dawa wagga dawa gona to in zaki wannan tuwon sai ki samu wakenki da daudawa to yanzu wani bi kuna sa wani dan attarugu ba shi ba a masa dan gishiri a ran ma ma ba a sa ba a masa mai kenan waken nan in kika ɗebo shi kaɗan kuma ya zaman cewa a kama a gidan naku in kamar misali abincin mutum biyar ne zaki sai ki tsakuro waken wannan a hannunki in ya so sai ki murje shi ki hece shi sosai ki raware shi da kyau ki hudda mishi ƙasa mm-hmm. sannan sai ki ɗora yar tukunya ki ta miya ki zuba yan ruwa waken wannan ba ka ziki zuba shi ba he kin sa shi cikin ruwa kin wanke kin san lokaci akwai kasa mhm. kenan sai ki murje shi da kyau ki zuba mishi ruwa wannan kasa duk ta koma kasa sai ki tsame shi da hannunki he ki zuba shi a tukunya ki zuba ɗan ruwa ki sa ɗan kanwa sai ki bar waken ki duhu. ta wani bangare ita dawa in za a yi tuwon ta ba lokaci guda na ziki barin ɗauka in surwa in niƙa a'a in za ki yi tuwon dawa dawa ta gona in kika surwa ta tun da sai ziki surwa ta a surwa a wanke sai a bar ta aji ba a sa ta cikin ruwa wanke ta kawai ake a bar ta aji ta jika sosai in ta jika kamar zuwa daidai a zuwa a ba ta tsami ba <laughs> kamar in ta jika zuwa daidai a zahar sai ki kai ta a nuko ta in aka nuko sai ki zo ki tankaɗe garin ki ki shiga shirye-shiryen ki na girki yadda kike yin tuwon laushi na masara na hatsi haka ziki na dawa an jike ɗan dan talgin ki ki tankaɗa garin ki in talgi yadda hu ki tuka an yi tuka in a bisa wuta ne kike yi bisa ice sai ki rage wuta ki bar shi bisa rabshi ana sanya dahu mm-hmm. he ki bar shi bisa rabshi ya samu ya sulala kenan kin ga in mun dawo wajen bangaren miyar taki mm-hmm. nan waken nan kin dora shi bari sai ya dahu sosai ya ligaje mm-hmm. in ya dan dahu haka yana dan sauran tauri taurin shi a lokacin nan kuma ina jin hankalinku kada a wa da yawa yawa wa da yawa madaidaiciya ce za a sa tun da anan wurin kin gani in kika sa kan wadiya dole sai kin sake wanke wannan waken mhm. amma an biki sa kan waji ka sa ikan wa'in madaidaiciya idan waken nan naki fara da ruwa kina ido ki ta kalwa mhm. sai ki daka da wannan ku yanzu kuna son ta shi ko mhm. ko dan kamshi aka ce eh ki nemo din attarugun ki guda sai ki sa ta da wannan dodo sai ki sa dan gishiri sai ki daka su in kika daka sai ki kwashi sai ki sa a cikin wannan waken naki da ke bisa tukunya in ya dan caccacab kaɗan sai ki daidaita ruwan miyanki da ya kin ga kinki ya fara ruwa kenan ba sai kin bindima ruwa ba sai ki daidaita ruwan miyanki ya ki kawo kisa ɗaya bangare kina da ko garin miyanki ta kuka ko garin miyanki mulohiya ko garin miyan kubewa ni na son wannan tuwon da miyar kubewa miyan kubewa busassa sai ki gyara ta ita ma ki tsinci abinki da kyau ki daka ta kai ki kai ta mashin dan na ga yanzu wasu mata rugagi mashin ake kaiwa a niƙa ba a niƙawa a'a a turmi kike daka miya a hankali tunda ana son a samu yan gururu gurorin nan kenan in ya tahwasa ya tahwasa ya tahwasa kin ka da ishe ki daidai miya ki sai ki kawo miya ki ta kubewa sai ki kada an mm-hmm. ki kada miya ki bar ita matar ta a hankali kun san lokaci in an sa huta sosai shi ke bata abinci mm-hmm. amma sannan a hankali tana da huwa ya ga ita da kanta bigi sa mata mai ba a'a ba a sa nama daga waken nan sai dodowa sai dan gishiri sai dan attarugun da zaki sa komai ba a sawa to shikenan da lamun gode tantawa da wannan ai kuma ban yi da ba a kai wurin hudda ba an hudda an zube lokacin ne zai to ki nemi dan man shanu ana sa man shanu <laughs> to ba matsala za mu gama <laughs> da man shanu <laughs> <laughs> insha Allah yanzu lokaci yayi inda mu tarbi malamin ada na Desk Hausa inda zai kawo mana karin bayani bisa kan wani dan mu muna sauraron ku malam Ada c'est quel mot que nous allons découvrir aujourd'hui avec vous eh, Samira da kuma Habiba barka da haka a wannan makon da wuce mun yi magana kan kalmar wato yan kwana-kwana mhm. a wannan mako za mu magana kan kalmar protection civil wato ma'aikatar kare jama'a ko kare jama'a wato wannan kuma kalma ce mai muhimmancin gaske eh, kare lafiyar jama'a shine kare mutane ko kuma kare muhalli ko kuma dukiyoyinsu daga wani bala'i daga inda lahi ko kuma daga dan adam sanda shi ma dan adam yana zama matsalar kansa eh, sannan kuma idan na ɗauki misali 'yan sanda da rukanin 'yan kwana-kwana wato suna kare jama'a sun fara wani aikin ceton mutanen da suka ɓace ma'aikatar kare jama'a na nuhin kare al'umma kawai sannan kuma mu rike cewa kare jama'a na nufin yin rigakafi da sanar da mutane da wani bala'i ko ta matsala yayin da su kuma 'yan kwana-kwana suke kai ceto da taimaka ma mutane kusan dai da 'yan kwana-kwana ɗin da masu kare jama'a duk aiki guda ne suke mm-hmm. wani bayi sai da wani to kenan madalla wannan lokaci ne yayi da za mu saurari sako-sako da masu sauraron mu suke turo mana Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. To saƙon da zani isarwa a studio Kalangu shine gaskiya emission inda suke kowane iri ne ma suna burge mu saboda suna kawo mana information kala-kala bisa kan mu sirtu ma bisa kan mata da kasuwanci haka abin yana burge mu sosai. Gaskiya mun son samu ne a ɗan ƙara lokaci balle ma ni da emission ɗin nan ta mata ta hi burge ni saboda emission ta mata duk inda mata za a ce gaskiya ga inda suke ci gaba nan muke so mu muna son a ce mata ga sun san ciwon kansu suna ta ci gaba da al'amuransu gaskiya kenan domin mun samu a ci gaba da irin emission ga kuma a ƙara lokuta. Ni ne a nan Arlit game da shirye-shiryen da kuke a cikin gidan rediyon nan na Kalangu gaskiya yana ƙayatar da ni sosai shirye-shiryen naku suna birge ni sosai ina ra'ayin sauraron ku kuma a kowane lokaci shirye-shiryen da suke gabatar da 'ya'ya kamar kuɗin aure da suke magana a kai cewar amma uwaye magana a kai abubuwan duka yanayi ne na rayuwa ka dole sai ana sasanta akan su komi a yi shi yanda ya kamata insha Allah. Faɗakarwa cewar sana'ar da za a yi matashi yana hidda mu shi wani abu ba cikin cewar yana nan cikin mutuwa zuciya kullun ya kasance cewar yana neman abin da zai hidda mu shi takaici su gane abin da ake nufi ana faɗakar da su a kowane lokaci ya zama abin suna aiki da shi ina tunanin Fin de cette émission de ce mardi 28 mars 2024. Vous étiez avec Habiba Ahmed et Samira Rouafi. Voilà, l'édition était assurée par Adam Dawaki à la technique. Nous avons eu Amina Hassan. Passez une très belle journée et bonne rupture de jeûne.